président moo commandé machine jox ko Touba ko benn commande ñu ñëw naa la fayal ndax yore lañ ma der yàq nit ndax leneen loo xam ne ñëpp xam nañ ko te loolu du fi ànd mukk ndax loolu safaan bi la Cheikh Aliou ci yoon la jaar yoon seen bu baax kon loolu lañ bëggoon a wax ni à partir d'aujourd'hui en tout cas man taxaw naa ginnaaw Serigne Cheikh Aliou ndax moom la ñu jóg rek pour yàq deram ak je dis simplement à l'intention de l'opinion sénégalaise et de l'opinion internationale que l'histoire retiendra que Serigne Cheikh Aliou a rempli finalement la mission que le calife feu Serigne lui avait confiée et jusqu'à présent il s'acquitte merveilleusement de cette obligation et exécute correctement sa mission. Et aujourd'hui, des gens tapis dans l'ombre ont décidé d'obtenir sa tête, ont décidé de le pousser à la démission. Non, cher Ali, nous vous demandons de rester parce que la mission est celle de chef Ahmed Bamba. C'est moi. Restez, on a besoin de vous. Et l'histoire retiendra que vous avez été utile et à votre pays et à votre Touba, ici, le domaine du mouridisme. Vous êtes un homme Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. Non, les chiens à boire, la caravane passe. Cheikh restez. Restez avec nous. Et je serai avec vous, avec vous, pour les nombreuses victoires attendues. Parce que votre action est faite de générosité, de solidarité, de dignité et d'honneur. Vous devez rester. Vous n'avez pas le droit de démissionner. C'est la raison pour laquelle je m'engage à vos côtés pour vous défendre, pour demander que justice soit faite, pour demander une punition sévère, pour demander un châtiment exemplaire contre ces imposteurs qui viennent perturber la quiétude des populations de Touba. Non, le chef Aliou, vous ne serez jamais seul. Le combat va continuer jusqu'à ce que la vérité éclate. Vous n'avez pas commandé les machines, c'est le chef de l'État qui les a offertes à Touba. Et alors, quelle est votre responsabilité Pour indemniser un intermédiaire, un courtier, ce n'est pas votre rôle. Mais malgré tout, vous avez tenu à sensibiliser le gouvernement pour qu'il puisse rémunérer cet individu. Non, vous êtes trop généreux. Mais il n'a pas compris ainsi, parce qu'il est manipulé mais donc tous ceux qui sont derrière lui et lui devront payer très cher parce qu'ils ont osé défier la vérité et la dignité. Non, vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes là pour Saint Touba. Vous êtes là pour le prophète Mohamed, est celle sur lui. Vous êtes là pour Dieu, parce que vous êtes pour la vérité. Et la vérité triomphera. Vive Touba, vive Cheikh Ali Mbake, vive vos structure. Je vous